pour la très bonne coordination des opérations. Et euh, je vous félicite aussi et soyez notre interprète auprès de tous les membres de votre équipe. À présent, je vais donner la parole au professeur euh, Moussa Sedi pour euh, un point de situation sur la prise en charge. Professeur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le ministre. Je voudrais d'abord présenter mes condoléances aux familles qui ont perdu un leur dans cette épidémie de Covid-19. Plus de 1000 cas aujourd'hui. Donc, euh, nous l'avons tous constaté, le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Cela prouve, si besoin en était encore, que le combat doit être celui de la prévention et non de la prise en charge, même si cette dernière est importante, parce qu'elle permet de sauver des vies humaines mais aussi de prévenir la dissémination du virus euh, dans la société, dans la communauté à partir de ce cas. Euh, il me plaît aujourd'hui de donner les résultats euh, d'une analyse rétrospective préliminaire sur une partie de nos données. Analyse que nous avons effectuée grâce à la collaboration de beaucoup de personnes, mais plus particulièrement grâce à, la collaboration, euh, grâce à notre collaboration avec l'Institut Pasteur de Dakar. Sur une analyse euh, préliminaire portant sur 181 patients, nous avons observé que la durée médiane d'hospitalisation était de 13 jours chez les patients qui n'avaient pris aucun traitement. Cette durée médiane était de 11 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine seule et de 9 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Nous avons aussi observé dans cette analyse des données que les patients qui avaient consulté tôt et qui avaient démarré le traitement dans les 24 heures avaient une durée médiane d'hospitalisation de 8 jours. Par contre, les patients qui avaient plus de 80 ans avait une durée médiane d'hospitalisation de 19 jours. Un autre résultat intéressant, c'est que tous les patients qui ont bénéficié du traitement à base d'hydroxychloroquine et qui ont consulté précocement, aucune complication n'a été notée, encore moins un cas de décès. Concernant les événements indésirables ou les effets secondaires, l'analyse a porté sur 362 patients et dans cette analyse, nous avons observé 12 cas d'effets secondaires. Et parmi ces 12 cas d'effets secondaires, le traitement a été poursuivi malgré tout chez 4 patients parce que les effets secondaires n'étaient pas gênants. Le traitement a été arrêté chez les autres. Mais tous ces effets secondaires étaient modérés. Il n'y avait aucun effet secondaire grave. Tous les signes ont régressé à la fin du traitement ou à l'arrêt du traitement sans nécessité d'un traitement supplémentaire. C'est donc dire que, vu de ces résultats préliminaires, nous allons continuer notre prise en charge avec l'hydroxychloroquine et mieux avec l'hydroxychloroquine azithromycine. Quelle que soit la qualité du traitement, on peut évidemment observer des décès. Mais quand on y regarde de très près, les décès ne sont pas tous survenus à l'hôpital. Certains sont décédés à domicile, d'autres durant le transfert, d'autres à l'hôpital avant même la prise en charge. Et ceux qui ont été admis en réanimation étaient dans une situation grave. Et dans tous les pays du monde, ce genre de patients présente un pronostic réservé. Donc, la vérité est que le service de réanimation est un service qui respecte les normes et l'équipe est une équipe dévouée et compétente. C'est nous que vous voyez, mais nous ne sommes pas les seuls à prendre en charge les malades. Il faut donc que je rende hommage au professeur Omar Khan et à son équipe de réanimateurs. Ils abattent un travail énorme. C'est vrai, on ne peut pas continuer dans cette lancée avec l'augmentation des cas sans avoir de cas graves. Rien qu'aujourd'hui, on m'a signalé deux nouveaux cas graves. Mais cas grave ne veut pas dire toujours condamnation à mort. Donc il faut qu'on reste euh, réaliste par rapport à la gravité de, ces cas, mais optimiste par rapport à l'issue. Euh, ceci dit, j'aimerais euh, remercier tous les collaborateurs, au premier rang duquel mes proches collaborateurs, le ministère de la Santé avec toutes ses directions, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, puisque c'est mon employeur, la presse, tous les Sénégalais, sans exception. je voudrais aussi finir en remerciant plus particulièrement le chef de l'État pour son engagement total et sans faille. Et comme j'ai l'habitude de le dire, euh, je ne dis que des choses dont je suis certain et l'avenir euh, nous montrera pourquoi j'insiste sur ce remerciement envers le chef de l'État. Euh, léegi je ngi jéem euh, résumé li mots wax français résumé ko ci wolof Mangi, ngi jaale ji nga xam ne am nañ ay mbokk yi nga xam ne faatu nañ ci feebar bi di fàttali ne un yaa ngi yokk waaye su fekkoon mesure yi ñu jëloon début bi jëluñ ko woon dina doon gën a yokk ko nii lii nag day wone rek ne feebar bi mooy moytu mu law si dëkk bi moo gën euh, di mbiru faj bi am na sa ñoo xam ne ñu ngi théoriser ñu bàyyi ko mu continuer moo gën waaye feebar boo xam ne mun na la dal ñaari yoon ñetti yoon fukki yoon su continuer kooku moom day indi musiba am na yeneen yu ma si mënoon wax waaye il faut ñu raccourcir durée d'intervention xëy na dina am yeneen jotaay yu ñu si mën a wax. Euh, faj bi nag ñun hydroxychloroquine bi ñu waxoon ñu utiliser ko utiliser nañ ko am na fu ñu ko utiliser boole ko ak azithromycine. gis nañ ne résultat yi soo amee joxe chloroquine moo gën a baax soo joxeeti chloroquine ak azithromycine it moo gën a baax si lu mat euh, ñetti. 300 mooy ñetti junne defe na xaw ma ñetti téeméer ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaari nit bi ñu analyser effet secondaire yi et loolu dafa am importance parce que feebar mel ni mënoo ko faj garab gi di indi lor loolu moom kenn du ko nangu douze personne ñoo ci am lu leen neexul 12 personnes yi amul kenn ku ci am lor bu rëy ñoom ñëpp bi ñu arrêté seen traitement wala ñu continuer ko même jeex lépp dëñ si donc garab bi lu ñu mën a wax lu baax la. te it supporté nañ ko waaye dafa laaj surveillance automédication waruñ ko jël gis nañ sax ñi nga xam ne teel nañ faju seen durée traitement mooy gën a gàtt ñooñu en général huit jours mooy durée médiane de traitement euh, su loolu passé faj bi nu mënta demee dina am ñoo xam ne du si sauvé ñooñu nag euh, am na ñoo xam ne du hôpital am na ñu faatoo hôpital si réanimation waaye réanimation am na ñu fa wér it génn fa di di vraiment remercier service reanimation service professeur kan parce que ñu ngi liggéey liggéey bu rafet si mbir eh, eh, bi solo nit ñi xam ko di rafetlu it liggéey bi may def ak institut Pasteur de Dakar ñëpp ñu ngi jàpp si liggéey may institut Dakar nga xam institut bu mag la ñëpp xam ko si aduna kiko ko jiitee di docteur Amadou Sall mi nga xam ne vraiment amatul dara lu prouver si liggéeyam domaine de compétence di remercier nak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ci liggéey bi ak commencer par collaborateurs yi ministère de la santé ak euh, presse bi di remercier chef de l'État ndax jàpp bu mu jàpp ci liggéey bi euh, jërë ngeen jëf merci beaucoup